8 heures à l'école d'Odombach de Anne Village, la reprise des cours est effective. Les enseignants et élèves montrent l'exemple en respectant les directives sanitaires, à savoir lave-main et contrôle température, le port de masques et les désinfectants. Le tout sur la supervision de la Croix-Rouge. Selon le directeur de l'école, toutes les dispositions sont prises pour une reprise normale des enseignements et apprentissages. Toutes les dispositions ont été prises. Euh, la mairie nous a beaucoup aidés parce que comme vous le savez état bi li mu ñu jox ci matériel c'est vrai que doyul mais mairie vraiment ñëw nañu appuyer appuyer ñu ci ay lave mais gel hydroalcoolique ak beaucoup de choses masque vraiment ñu ngi koy remercier bu baax a baax Même baax ñoom daal jàpp nañ ci daal bu baax ak waa Croix-Rouge aussi depuis démb ñu ngi fii ñëw ñu ngi ñuy quoi ça se passe très bien. C'est le même constat qui a été fait au niveau du CEMAN, protocole appliqué à la lettre, désinfectant, lave-main, vérificateur de température. Pour le principal de l'établissement, il est inéluctable que le compte horaire et le programme soient respectés et en profiter pour remercier le corps enseignant de la Croix-Rouge, les volontaires de la ville de Dakar et les infirmiers affectés à cet effet. Ici, le dispositif est vraiment au complet. Nous avons tout ce qu'il faut, le dispositif de lavage des mains. Nous avons les thermoflages, les masques, vous avez dû constater, même à l'entrée. Et il y a aussi les éléments de la Croix-Rouge qui sont venus vraiment nous prêter une main forte. C'est eux qui s'occupent de euh, désinfecter les locaux, désinfecter les véhicules du personnel. Et le personnel et tous les élèves du CEM sont désinfectés avant d'entrer dans le CEM. Il y a l'infirmière avec euh, une équipe de la Croix-Rouge ils sont en train de passer dans les salles de classe pour sensibiliser. Il y a les élèves eux-mêmes, dont le président du gouvernement scolaire. Ils ont des affiches, ils ont des documents qu'ils sont en train de distribuer aux élèves pour sensibiliser sur la distanciation sociale et sur les gestes barrières. Donc, euh, nous, au niveau du CM, on fera de notre mieux pour protéger nos élèves. Donc, on demande aux parents aussi de faire la même chose une fois que l'élève est retourné à la maison. Cher président du gouvernement scolaire, a magnifié l'implication de son équipe déployée pour la sensibilisation de leurs camarades sur le respect des mesures barrières. On est en train de faire une ronde pour, sensibiliser les élèves à propos du, du Covid-19. Et on a pris toutes les précautions nécessaires mm, en les mettant devant la porte de l'école. Euh, et aussi, on est là, en tout cas, de tout faire pour éviter le coronavirus, pour promouvoir notre santé et protéger aussi notre environnement et notre école aussi. Par contre, les administrateurs des écoles privées de la commune déplorent la non-assistance de la municipalité pour la reprise des cours, nous dit M. Emessar, directeur de l'école Mamdje Gansar. En tout cas, à notre niveau, hein, il n'y a pas de problème. On a bien démarré. Euh, nous avons fait ce qu'on nous a demandé la distanciation des, des, élèves dans les salles de classe. On a réparti nos élèves en trois salles de 19. Au niveau de la mairie, bon, c'est vrai que je fais partie de la mairie, hein, je fais partie de la mairie, euh, parce que je fais partie du cabinet du maire, c'est vrai. Mais euh, euh les écoles publiques, euh, le matériel, je le même jour, en réalité. Euh, loolu yëpp garaawul sax mais euh, mënoon nañu même su fekkee ne dañuy jox sax ay masque ñu jox ñu parce que les élèves ce sont des élèves de yara ah hein. ce sont des élèves de yara parce que suñu joxul ñun on va avec les moyens de bord wala amuñu élève bu feebar fii soo génnee da ngay ànd ak élève bu bi wala ko feebar donc loolu mu def noonu lu baax loolu mu def Bara Gueye euh, si école publique yi finalement après day revenir à zéro généralement soo waxee mairie sax dañu naan privé dañuy fayeeku ok dañuy fayeku mais euh, am na fa nga xam ne suñ fa tolloo comme situation bi ni mu demee nii toog nañu trois mois jàngale wuñu su fekkee ne par exemple amuñu benn assistance du ñu mën a dem parce que dinañu am problème pour jënd ay gel dinañ am problème pour jënd ay lave mais dañu am problème pour defarlu ay ay ay ay ay ay masque donc ñoom suñu jàppoon tuutu inspection jàpp rek ki heureusement que bon à l' inspection on nous a on nous a tout donné vraiment man fii au niveau de chez moi la wax de man je n'ai rien à reprocher à l' inspection ils nous ont tout donné avec plus de 6 000 cas déclarés positifs au COVID-19 depuis le début de la pandémie au Sénégal, il est plus que nécessaire de continuer la lutte ainsi. Pour cette reprise, les enseignants ont porté le cours sur la sensibilisation pour le respect des mesures sanitaires. Avant de faire cours, de, rappeler les gestes barrières, de, de leur présenter la gravité aussi de la maladie, que c'est une maladie qui se propage le nombre de cas augmente, il faut vraiment chaque fois euh, que de besoin, n'est-ce pas, rappeler les gestes barrières, n'est-ce pas, leur parler de cette maladie quoi. La forte présence des éléments de la Croix-Rouge a permis de veiller au respect strict des mesures. Aujourd'hui, on est venu à, 7 h du matin et on a amené une désinfecteur électrique pour désinfecter l'ensemble de l'administration et l'ensemble des élèves qui seront à l'intérieur des classes. C'est pour cela qu'on a amené une désinfecteur. Il y a aussi les checkpoints pour euh, se laver les mains avant d'entrer. Donc euh, on a deux checkpoints. Le premier checkpoint c'est pour te désinfecter euh, en tant que tel. La deuxième checkpoint c'est pour se laver les mains. Et la troisième checkpoint c'est pour prendre la température. Le port des masques est obligatoire dans les classes, dans la cour, euh, même à 100 mètres de l'école. Le port des masques, c'est obligatoire. Et on évite aussi les rassemblements des élèves. On interdit les rassemblements des élèves parce qu'il euh, y a l'interdiction des rassemblements et le port des masques obligatoire. Et on essaye de faire avec pour qu'ils ne puissent pas avoir de rassemblement et que les élèves puissent avoir leur masque parce que euh, la direction les a dotés trois masques par personne. Enfin, le tour fait dans les différents établissements a permis de constater que toutes les dispositions prises ont été respectées. Cependant, après les cours, les parents doivent aussi redoubler d'efforts et de vigilance dans les foyers, ce qui permettrait aussi d'éviter la propagation du virus dans le milieu scolaire.